La parole est à l'honorable député Ramatoulaye Bodjan. Honorable Khadidje se prépare. Merci, Présidente. Salam alaikum, chers collègues. Messieurs les ministres, Marlene avons eu le ministre de la jeunesse le ministre des finances et le ministre du travail et du dialogue social monsieur le ministre du dialogue social tey dama yéeg pour vous ak yow euh, tubaab bi mieux veut prévenir que guérir monsieur le ministre en 2019 il y a eu des hommes de tenue ñu dugg ci kër yaay Ousmane Sonko pour dem jëli ay parrainage et après la gendarmerie a nié mais après on a vu que finalement on a eu raison sur les, sur les accusations. Tant on a commencé les parrainages. Euh, à Bignona, je pense qu'il y a deux ou trois jours, des jeunes ont été arrêtés et on a confisqué le matériel. Nous avons parrainage, nous des jeunes Sénégalais comme tout le monde. Mais je pense qu'après, ça s'est réglé. Demba, on a vu la même chose à Pékin. Des jeunes ont été arrêtés, libérés et ensuite on a été sur à, leur siège. Euh, monsieur le ministre, Sénégal ñu ñëpp a ko bokk tey ku nekk boo ñibbee nu mu sori sori doo génn frontière bi Sénégal bii ngay des donc euh, mieux vaut prévenir que guérir yow en tant que euh, ministre du dialogue social et des relations avec les institutions moo tax ma tourné ci yow di waxtaan ak yow fii tous les 65 les 165 députés dañ la jox cër te nga yore boobu relation bi ñu yaakaar ci yow nag jël kii bi yëpp ko ci sa loxo pour nga gérer ko parce que on veut vraiment des élections il y a du am ben problème dañu nek ci parrainage tous les sénégalais ont le droit de parrainer Nous ñoo xam ban naka lañu lañuy parrainer mais période parrainage lañu nek que l'État nous laisse de parrainer en paix on l'a dit nous ñun C'est c'est lacrymogène ñu jënd c'est pas ce n'est pas contre nous Nous dañuy dañuy résister deug la mais on résiste avec le génie politique qu'on a on résiste de la plus belle des manières on résiste intelligemment on ne va pas aller sur le terrain affronter les forces de l'ordre Moi, tax ma ne tey damay waxtaan ak yow sénégalais avons xamante des ñoo xamante ni dañuy parrainer Bassirou nous Faye xeexuñu tooñuñu defuñu kenn nañ ñu may jàmm pour ñuy parrainer dans les meilleures conditions ndax Sénégal le Sénégal a besoin de paix on a assez de assez de morts on a eu des jeunes qui sont en train de courir de fuir pour avoir la paix Nous ñëpp ñi ngi daw et malheureusement suñu suñu frère le ministre de la jeunesse Amour tellement d'ambition pour euh, sauver les jeunes ou alors c'est limité c'est pas pertinent les, propositions qu'il fait parce que ne pas, nga jël des milliards pour tabacat des maisons pour la jeunesse alors qu'il y a déjà des CEDEPS qui sont là Vous ne mën na qui et prendre le restant de l'argent nga injecter sur le financement des jeunes il y a énormément de choses que je peux dire mais il faut l'accueillir, parce que c'est dama pour vous dire qu'on veut la paix on veut la paix merci merci chers collègues euh, la parole est à, l'honorable député Khadidjé.